février 2024. Merci pour votre fidélité au programme du Studio Kalango. Bonjour chers auditeurs et auditrices, il vient d'être 11h et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalango. À la présentation, je suis Samira Wafi et avec moi Habiba Ahmed. L'édition est assurée par Adam Adawaki, Rayla et la technique par Seni Isaka. Bonjour Habiba, tu vas bien Bonjour Samira, ça va oui, ça va, Dieu merci. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Habiba, comme d'habitude, nous débutons cette édition avec le flash d'information, la rubrique hebdomadaire entrepreneuriat, une revue de presse. Nous ferons un tour en région, plus précisément à Maradi, pour parler de chaufferie. Il y aura également une rubrique lotée dans cette émission de la culture linguistique et notre page sport. Dans la partie invitée, nous recevons l'artiste Mohamed Inno Dime Company, autrefois deuxième leader vocal du groupe mythique Akazama de Douti. Aujourd'hui, c'est le seul leader vocal de ce groupe et avec lui, nous allons retracer l'historique de ce groupe qui fait la fierté des Arawa. C'est parti pour une heure de bonheur sur Kalango. Chers auditeurs, on débute cette émission avec les flashs d'information avec Tou Abdraman. Bonjour Rukaya. Bonjour Habiba. Bonjour Samira. Bonjour. Alors nous débutons ce flash à Guidarumji dans le village de Basiraï, Une attaque d'hommes armés hier a fait quatre morts et deux blessés sur une position des FDS selon le journal en ligne Le Souffle de Maradi. Selon toujours le journal, plusieurs sources locales ont indiqué que des renforts venus des positions toutes proches ont permis de mettre rapidement en déroute les assaillants qui ont abandonné sur place trois motos emportant avec eux leurs morts et blessés. Découverte à Niamey des caches d'armes de guerre dans une villa au quartier francophonie, extension Tchangare selon la radio et télévision du Niger. Cette villa est occupée par des instructeurs militaires français. L'autre cache est au siège de Cap Sahel. Les perquisitions ont permis de découvrir tout un arsenal de guerre. Enfin, hier, dans l'après-midi, le Premier ministre, <coughs> excusez-moi, Mohamed Lamine a reçu le haut commissaire assistant des Nations Unies pour les réfugiés en charge des opérations Raouf Mazou. À sa sortie d'audience, selon le quotidien Le Sahel, le diplomate onusien a indiqué que cette rencontre a été une occasion pour discuter des défis liés à la présence des réfugiés au Niger. Il a également souligné que lors de son entretien avec le Premier ministre, il a discuté de la nécessité de ne pas fournir uniquement de l'assistance humanitaire, mais de faire en sorte que les populations réfugiées et les populations déplacées internes puissent avoir l'autosuffisance le plus vite possible. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toi aussi, Rukaya, et bon vendredi. Merci. Comme annoncé en début d'émission, chers auditeurs, nous avons comme invité l'artiste Mahamadou Inno Dime Company, le seul leader vocal du groupe Akazama de Duchi. Mais avant d'écouter notre entretien en Hausa avec lui sur l'historique de ce groupe, écoutons notre première balade musicale. Nous avons choisi eh oui, Habiba. Nous avons choisi pour vous les titres Shakirari de Akazama pour vous mettre dans les biens. shaking. Kazama est connu pour sa spécialité des chants traditionnels pour ce qu'on appelle les invisibles. Dans cette chanson, il faut les éloges de la grandissime Shakirari, celle qui est maître invoquée avec délicatesse dans la mythologie Hausa. C'est elle la reine de la vérité. Effectivement, Abiba, lors des grands événements ou d'un vol dans le village, c'est elle qui est invoquée pour clarifier l'affaire en désignant le voleur ou le menteur. ina ina là le titre Shakirari de Akazama. Retour au studio pour entamer notre entretien avec mes compagnies du groupe Akazama. Ils nous parlent de l'origine de ce groupe et surtout de ce qui différencie Akazama des autres groupes de musique. Vous avez eu un aperçu dans notre premier titre. On écoute la suite de leur histoire. Mahamadou Company, deuxième chanteur Akazama, chanteur mai suna umaru asuman shi ya rasu ne bayan shi sai na ɗauki relab ɗin shi ni da gitarist ne cikin orkestra gitar ke bugawa to lokacin da ya rasu wa'anda annan ya kamata su relab kin nashi kiris ɗin nashi sai abin ya gagare su ko ka iya bamu labarin aka zama tun da gurupu ne da ba yau aka girka shi ba ko kun iya bamu dan tarihin aka zama kaɗan eto orkestar aka zama wanda amharin dai orkestar wani dattijo ne da ya zama nigeria ana ce mishi bara'u don ka ya zo nan gida aka so kaɗan girka abinsu da tanunuwansu da yannanmu ne mu suna yi dai kaɗan kaɗan muna kallon su dai suna yi muna kallon suna yi ana nan ana yi bayan haka abin ya karfafa dai ya san ya yi suna sai allah ya kawo wani garan fararkin mu shi ma ana ce mishi alasan bar shi shi daga kominak shi kuma ya yi odefar eh, da ya defar sai su ka music tun da lokacin wancan ma wasu nunuwa da ne haka aka yi yanki ana bugawa mai amma kenan shi na karfafa abin dai warkasar in ta kuma da ke shi gwani na ya iya cikin wani shekara kenan shi an 92 ya zo aka zama tun an 89 take mai amma ta karfafa ta san wani abu 92 da wannan ya zo wanda nake ce muku alasan din nan jusko jour jordo har yau album nawa aga aka zama album wanda mun kai album guda ne muka samu kai to saboda kisan harka duniya ce sai da tallahi albam ba abu ne wanda ba ya yi yiwa hakan gashi titar nawa aka zama ta yi wannan shi da sai ai misalta ne don ka ana iya samun waƙoƙi da aka zama ta yi kan wanda an ka sani kan wanda ba sani ba ana iya samun sama ga ɗari ma ɗaruruwa maza a cakai da akwai waƙoƙi waɗanda har ila yanzu suna nan ishfigena suke waƙoƙin da aka zama muka riƙe muka yi mun ɗauki fannin gargajiya ce wadda ta danganci ƙasa arewa muka huta har ta danganci ƙasar nishar kaba gaba ɗaya saboda muna waƙa wanda ya danganci harkar bori harkar sarauta harkar noma kiyo duka wannan abubuwa ne waɗanda muna waƙoƙi bisa gare su har ya kai mun ka hita da cikin nan mun ka shiga tarihi mun yi waƙa bisa tarihin adar wannan tasige wannan mhm. bayan shi mun zo mun yi zandar sabuwa shi ma wannan tarihin zandar ne muke bada bayan shi muka zo muka yi ah, tilibiri cin dalo wannan shi ma dai kun ji shi ma mhm. bayan shi mun zo mun yi difa angalan kuma kenan har mun hitar tarihin arewa mun shiga na wasu kenan eh. an ba ta yi wa ai magana aka zama ba alakanta ta ba da garin dogon dutse kuma akwai wasu ana ca miti ne wasu suna ma arzako kamar tun yayin sarauniya mungo ne a akwai wai cikin yan in. waɗanda suke da alaka da ita shi yasa ko da yaushe waƙoƙin suna dangantaka da haraka bori ko na wani abu ga har ma mutane na cewa to group ɗin na anya ba tsoron shi za a yi ba ko yalla duk yan group ɗin yan bori ne mi za ku ce mu na sama wannan to lalle mu ba yan bori ba ne amma kisan in ka riƙe al'ada wajen ku kana iya sanin komi cikin ta shi da yasa duk mun ka san komi na al'adun da sun ka danganci arewa in ka sarauta ta muna da tarihin ta mun san komi in ka bori ta muna da tarihin shi mun san komi in ka noma ta muna da tarihin shi mun san komi in ka kiwo ta muna da tarihin shi mun san komi to a gargajiyance dai ana ce akwai wasu abubuwa da ba kowa ga iya magana a kai ba sai wanda ya kai sai dan wane da wane kenan ku akwai wani abu da kuka buga gaba da shi da kuka ɗoki ku yi a eh, faire connaître in culture inga ta dogon dutse a travers votre style musical inna. ya eh, wannan cikin jinin mu na cikin mu yan arewa. Avant la suite de notre entretien, accueillons ensemble Rafika Taher pour la revue de la presse de ce vendredi 23 février 2024. Bonjour Rafika. Bonjour Samira. Bonjour Rafika. Quelles sont les nouvelles alors, euh, le barreau du Niger dénonce les violations des droits et libertés par la DC. Euh, DG plutôt euh, CE et le COLDEF, c'est dans la parution de l'hebdomadaire du 19 au 25 février de l'actualité. Oui, le samedi 17 février, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger a animé un point de presse sur ce qu'il appelle certains abus et violations des libertés de leurs clients et aussi l'exercice de leur métier. Pour rappel, le barreau a déjà rendu public une déclaration le 29 juin 2023 dans laquelle il a attiré l'attention des nouvelles autorités sur l'impérieuse nécessité de préserver les droits et les libertés des personnes et la protection de leurs biens, considérant que des citoyens sont convoqués dans les locaux de la Coldef où ils subissent des interrogations hors présence de leurs avocats. Le bureau a attiré l'attention du procureur général et du ministre de la Justice. Cela est resté sans suite selon le barreau, en dépit de la gravité de la situation portée à leur connaissance. C'est pourquoi, écrit le journal, le barreau du Niger exige que cesse toute interpellation et détention arbitraire et l'exercice du droit soit pleinement assuré. Et dans son édition d'hier, le journal Le Courrier se demande s'il ne s'agit pas d'une conspiration en marche contre la COLDEF. En effet, le journal considère que les dénonciations que le barreau du Niger qualifie de graves manquements au respect de la légalité et des libertés publiques est une prise de position légitime, sans doute, mais qui étonne plus d'un Nigérien. Les enjeux du déplacement d'Issoufou Mohamedou à la rencontre continentale un article du périodique Les Potentiels dans sa parution du 22 février. Sur invitation du président de la Commission de l'Union africaine, l'ancien président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, a pris part du 17 au 18 février à Addis Abeba en Éthiopie à la 37e session ordinaire de l'UIA où il a présenté le rapport d'étape sur la mise en œuvre de la ZLECAF. Tels sont les principaux enjeux de son déplacement à Addis Abeba selon le journal. Cependant, le journal Le Nouveau Républicain a rebondi dans son édition d'hier en écrivant que si ce déplacement a eu lieu et que tout semble l'indiquer, c'est assurément un acte maladroit qui risquerait de ternir l'image du général Abdramantiani, lui qui a beau proclamer sa volonté de servir le peuple nigérien avec loyauté et détermination. Autoriser Issouf Mahamadou à sortir du pays est inapproprié et malvenu Parlons sport euh, dans cette revue Réfica. inauguration du centre Olympia, Olympafrica, plutôt de Dosso, par l'agence nigérienne de presse le mercredi 21 février 2024. Effectivement, Samira, le centre Olympafrica de Dosso a été inauguré mercredi dernier d'un coût de 127 millions de francs CFA. Ce complexe sportif dispose de plusieurs installations sportives et des espaces réservés au maraîchage. Il permettra aux jeunes et aux femmes de s'adonner à la pratique du sport et à d'autres activités génératrices de revenus dans de meilleures conditions, indique l'ANP. Ce joyau offert à la jeunesse de la région de Dosso comprend des bureaux, une grande salle pour les sports de salle et les spectacles, des vestiaires, un terrain de football, une piste d'athlétisme, un espace féminin réservé pour le maraîchage et les cultures de contre-saison, un plateau polyvalent et dispose d'une clôture avec toute commodité, électricité, adduction d'eau, gardiennage, etc. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture des arts et des sports et des Sports, le colonel-major Abdraman Amadou a indiqué que l'acquisition de ce joyau contribuera à la promotion de la pratique du sport dans un environnement sain et sécurisé pour garantir la santé, le développement social et le renforcement des liens sociaux. Ce terrain est mis à la disposition du COSNI, le comité olympique et sportif du Niger, dans le seul but d'accompagner la pratique du sport par la population de Dosso, principalement les jeunes et les femmes. Et c'est tout pour euh, la revue de presse de cette semaine. Merci, Rafika. Passe une bonne journée. Merci. Passons à la seconde partie de notre entretien avec Mahamadou Inno Dime Company, leader vocal du groupe Akazama. Nous allons évoquer les success stories et limites du groupe tout en effleurant le manque de soutien qui empêche son évolution à l'international. to gaskiya ba mu samu mun kai ta ƙetare ba bakinmu nan cikin nijar in ƙayyata ce ba ta wuce nan nigeria kuma makwabtan kusa-kusa ba nesa ba to ko akwai wasu alherai da kuka samu ta hanyar wannan waka eh insha Allah akwai alherai da muka samu da ke san music ko da muka shiga ta mu kawai mun shiga ta na danjin daɗin rayuwar mu dai kawai amma yanzu music mun gane sana'a ce alhamdulillah muna samu babu laifi don abinda an matsala dai rashin mai tallaba ka kai sama ne. kenan ina gane akwai matsaloli ko kalubale da kuke fuskanta cikin ta yadda aikin ku ba a ca babu kai san duk an kai yadda kake yin abu ba ka rasa wani dan tangarda amma kaman ga mutane ba mu da wata matsala mu nan da cikin arewa matsalar mu guda mu rashin tallahi mun san in akwai tallahi nan ba nishar ba ma san ci duk afirka babu inda ba mu iya shiga don har kowace iri mun san ta mun san yadda za mu yi maɗago wani abu kowane iri na mu yi waka kan shi to a ganin ku ya ne kamata a yi don a tallafa ma gargajiya da artist inda ke waƙoƙin gargajiya da ke hiddo kasan waje to wannan magabata ne ko ana iya gaya musu ba su iya gane yanzu ke gani akwai wata me zaka da ke son sauraron ta ɗani ake yi amma yau ko ba kaso dole in ka sauraron me zaka dan aka zama kasan san ka sauraron music nigerian tunda culture ne na ƙasa aka ɗaukowa a tace a yi wanda ya dangaci kowane iri a tace shi ka ji an yi an maida shi waka lokacin da muka yi marson tasigi wani na tawa akwai 'yan tawa da yawa da sun kace mana su ba su ma taɓa sanin akwai wata gerir tawa kamar wata akwai wata zarumawa da ta yi suna tawa ba 'yan ba da suka ji waga waka ku da arewa ya kuka kuka samu tarihin waga tasigi ita da hattawa to tarihi ke son neman shi na ake don mu ba zama muke ba muna neman tarihi sosai to ana iya consider ki a ce duk mutanen da dai sun bar mu kuya ne aka yi sai ku ba mutunan yau ne ba me ya aka yi kuke samu wa'anga tarihin da suka wuce da saura ba ma a rubuce suke ba aji eh to saura eh ba rubuce suke aji ba amma ke son na gami kamar al'ada ce ta mu tana arewa abu ne wanda kakin muna tahiya waɗanda suke wuce nan ɗan saurasauran na muna 'yan tambayoyi gare su kenan muna samun wani abu gare su ko da babu shi rubuce yanzu in na zo yau na shi na tambaya akwai mai ce mini harka da an kai sarauta kaza da wani sarki kaza sarki kaza ina iya kawo sarki wajen misali nawa waɗanda sani ga su dai ke gani kuma ban san su ba to haka ne kama abin ne da ya zan namu ne mun gashe shi kenan bai iya kubce mana to tambaya ta ta gaba in an lokacin da ake wasu taruka biki aure ko suna ko wani abu naɗin sarauta ko na mai gari a nan garin dogon dutse ana kiran ku eh ana kiran eh to da kike son shi duka mu yan gari ne eh tunda abu na duka ya zan kamar namu kenan duk abin da danganci arewa kafa gaba ɗaya ya zama namu kenan kan wani biki kan wata sarauta duka ya kai ana gayyatar mu ko akwai wani sako da zaka mika ga masu sauraron mu masu sauraron aka zama don a nan Nijar babu inda ba san aka zama. Eh to, sakon da gare ni guda ne. Don Allah don annabi mutane masu sauraron In ma mutum kai in baka iya yi in akwai inda ka iya yi kamawa mu a tallafa mana ne. Tallahi ne ba mu da shi kaɗai ne ya tsaida mu. In akwai tallahi warkasar aka zama tana iya shiga ko'ina. madalla ba mu iya kare wanga antiricin ina mu ba mu ji an dan rera mana wani abu da an kasan aka zama da shi ko da waka da ta yi hiddo ku ne kenan muna son mu ja dan masu sauraron studio kalangu su san tare da wa muke kayan mu yi sallama waƙoƙi da yawa suke da akwai da yawa waɗanda ne waɗanda suna burge ni ke gana ku bayani toro ku bayani jammaye ku bayani toro ku bayani jammaye taho na mai gahiya ban ce ka yi ba ban ce ka bari ba haba sulemana baban hawa da mun ka zo na kai mun ka zaɓa sarki sulemana mai gahiya <laughs> mun gode da lokacin da kuka sa don amsa tambayoyin studio kalango muna muku fatan alkhairi To Madalla, za mu ɗan shakata kafin mu dawo mu ci gaba da shirin namu. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Comme le disait le teaser, vous êtes à l'écoute du Niger sur Kalangu. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, c'est l'heure pour nous d'attaquer notre rubrique hebdomadaire. Et dans la rubrique hebdo de ce vendredi, allons à la rencontre de femmes du groupement féminin Kowa de Tonfavi. Exactement, le groupement se trouve euh, dans le département de Madawa. Il a été créé il y a 15 ans et avait euh, un total de 30 femmes. Aujourd'hui, le groupement compte 60 femmes qui, sont, qui ont plutôt comme activité euh, l'agriculture toute l'année. Cependant, elles rencontre des difficultés dans la fourniture d'eau, surtout pendant la période sèche, d'où les cri de cœur de la présidente Hajia Memouna Ibrahim. On l'écoute au micro de Hawa Ousmane. ƙwararren ta kalilin ta kai shekara goma sha biyar mun talatin yanzu ma da sun ga mahimmancin abu yanzu abin da muke mun sittin amma na raba biyu na yi ƙungiya ta 'yan shakalin matasa mutum talatin mun kuma tsohi shakala mutum talatin. To kamar da me kuke a cikin wannan kungiyar ta kungiyar ta mu mun aiki muka yi da yawa cikin ta tunda mu da noman rani mu da noman damana yanzu wannan noman na damana in mun ka yi shi mun ka noma hatsi mun ka noma dawa mun ka noma wake mun ka noma gujiya yanzu nan hatsin sai mu aje su da su da dawa wagga gujiya da wanga waken su maka sai da sai mu sai irin albasa mu sai irin shu mu watsa ga zubin da muka yi kullum kullum sai mu ta shuku mu sai mai mu sai taki mu dasa samu yi aiki mata akwai masu mangujiya akwai masu dan wake akwai masu tuwo akwai masu shinkafa duk dai kowa da nashi aiki in muka samu annan kuɗin duk sati mura samu mura zuba wannan asusu shi na muka samu mura ta yawa mura gabatar sa wannan aiki alhamdulillah mun ji daɗi ne kowa gode ma Allah kuna iya gaya mini kamar irin karuwar da kuka samu daga wannan aikin da kuke na cin kungiya to lalle mun samu umarni tun da da mun ka aji haci su da shekara 2020 mun ka aje albasa tara jikka talatin talatin sai mun ka haɗa mun ka saida mun ka saida mun ka samu kuɗin mu abinci shi alhamdulillah mun ka rarraba yanzu har maza soda nan soda ce hajjia wanga al'amari na ku mun ji daɗi ne hajjia da Allah ba ku raga ɗan hacin nan ba ku ramta mana ɗan santolo haka ka ko kokara itace har su mun taimaka musu ma ɗaya maza. yanzu su da nan matan su da nan su da son su kurda mun ka ce musu to yanzu ba shi tunda an yi nisa a bari yan an hashe wangade yannan wani duka sun shiga shi shiga wani irin matsala kuke gani a game da ta yadda ita wannan kungiyar ta ku mu matsalan mu aikin gana mu da babu ƙarfi ƙwarai yannan kuma in mun ka fara aikin ga matsalar ruwa sai mun ta gamu da aikin an ce maka dan rani ya fara sai ke ga rijiya kadan kadan na ta katowa inda zaka kwana bi ka ba da ruwa sai kai bakwai biyu kenan ke gani nan cin kuɗi na akai cin kuɗi na akai in ba da wannan matsala ba alhamdulillah Merci bien Awa pour ce beau reportage. Habiba, je crois que c'est le moment de faire une pause musicale. Oui, voici pour vous les titres Adunia Sahel chantés par Bambino. rappelle à quel point nous devons rester solidaires à travers ce titre Dunia Sahin qui veut dire la vie est devenue difficile, surtout en ces moments. Il faut le mentionner, Bambino manie la guitare à l'image de ses pères tels que Ali Farka Touré et ses mélodies vont à l'endroit de tous les amateurs de la guitare moderne. Il s'est distingué aussi du fait qu'il reste le meilleur artiste de tous les temps en hissant le drapeau du Niger haut sur la scène artistique internationale. Bombino, comme on aime l'appeler, est la manifestation de la joie lors des concerts et les événements les plus importants de notre société. Rien que sa présence donne de l'éclat et de la réussite à nos soirées. Thank you. auditeurs, c'était Dunia Issachen chanté par Bombino, place à l'écho des régions. Cap sur Maradi, la capitale économique où nous assisterons à l'intronisation d'un chef Toubou à la cour du sultan du Kassina. Le 3 février, Issoufou Bokar est intronisé par le sultan Al-Haji Ahmed Alizaki. zaki Cette intronisation est une tradition du Kassina Maradi pour faciliter l'intégration des autres ethnies. Reportage Mohamed Maman. C'est cette ambiance du folklore de Katina qui caractérise la sortie de l'honorable sultan Ahmed Alizaki de son domicile pour son palais. Et en cette journée, il entend perpétuer une tradition chère au Katina, celle d'introniser un membre de la communauté Toubou comme chef. Ce dernier va être membre de la cour. Le sultan Ahmed Alizaki explique plus clairement cette décision. Aujourd'hui, nous commençons à avoir une forte présence de la population Toubou qui est à Maradi. Et cette présence mérite qu'ils aient un représentant direct au niveau de la Cour pour vraiment chercher à régler certains conflits qui peuvent se passer eh, avec des gens, à régler certains problèmes queux mêmes ont et au besoin, si nous, nous avons des choses à faire, nous allons les intégrer dans ce qu'on est en train de faire. Parce que tout celui qui est sur votre territoire a le droit et le devoir de participer à la vie de tous les jours du sultanat. Choisi pour parler désormais au nom de la communauté Toubou de Maradi, Issouf Boukar manque de mots pour exprimer sa joie. Pour lui, la volonté d'intégrer les autres communautés à Maradi est une réalité dans le Katina. Euh, son athlète, le euh, sultan de Maradi, Raj Ahmed Alizaki, c'est un homme sage, très responsable, soucié de la cohésion et de l'unité du peuple. C'est pour cette raison qu'il a créé, en tout cas, des représentants ou des chefs des différentes ethnies. Donc vraiment, c'est une bonne chose j'ai Ahmed Aliza qu'il a eu confiance en moi. J'ai également eu la confiance de notre communauté qui a accepté. Donc je suis appelé à, maintenir la cohésion de cette population et à résoudre un certain nombre de problèmes, vraiment à, unir également les communautés Pour l'historien du sultanat et directeur de l'Institut de recherche en sciences humaines Urge de Maradi, Issoufou Habou Magagé, c'est une politique qui permet de résoudre les conflits qui peuvent surgir entre les communautés d'une manière concertée et pacifique domin jagorancin al'umma sun zo baki a cikin ƙasa ya kamata su yi ladabi da tarbiyyar da suka iske e, dole su samu jakada wakili ne nasu yanar da abin da ya taso wanda al'umma za a yi su ma ana cudawa da su ba a ware su ba Le sultan Ahmed Ali Zaki tient à cette tradition qui a démontré toute son efficacité dans la gestion pacifique des conflits. C'est quelque chose qui a duré depuis des millénaires au niveau du sultanat. C'est une nomination qui est faite pour prendre en compte certaines communautés spécifiques qui en manifestent le besoin, qui veulent s'intégrer dans le nouvel environnement dans lequel ils sont venus habiter. Ces représentants et la population qui le représente sont d'emblée euh, dans le sultanat. Bien avant cette intronisation du chef de Toubou, le sultan a procédé à celle des chefs des Armands, des Adrawa et des Touaregs. Mohamed pour ce beau reportage. Coucou à nos auditeurs qui nous écoutent dans la région de Maradi, notamment à Mayayi sur la radio Anouri sur la 99 et à Tessawa sur la radio Termamois sur la 97.7 MHz. Passons à présent à la page sport et ça sera avec Gourouza Hasumi. Bonjour Gourouza. Bonjour euh, Samira, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors, c'est aujourd'hui que va débuter le tour préliminaire plutôt de la Coupe nationale euh, du Niger édition 2023-2024. Oui, Samira, et 36 euh, équipes ou clubs des ligues régionales et nationales vont se frotter au niveau des différents stades du pays. Je m'en vais d'ailleurs vous donner quelques confrontations. Il y aura le match national du Dandy à l'AS Volcan. En tant FC de Dosso sera face à l'Interquis de Tiro. Étoile Rouge va rencontrer Kandaji. Dans Kassawa de Maradi à Kandarga de Zender, AS Libouré à Bobo FC et Bagazam FC à Aminki FC. Guruza Zender va accueillir un tournoi d'élite traditionnelle. Oui, Abiba, sera du 7 au 9 mars 2024 et regroupera les huit régions du pays. Cette compétition de lutte prendra la dénomination de tournoi de sauvegarde de la patrie. Objectif de cette rencontre est de donner du tonus aux lutteurs après le sabre national. C'est également un moment de consolider les liens d'amitié, de solidarité entre les Nigériens. La zone de défense numéro 5 de DIFA a ouvert sa saison sportive le vendredi dernier. Oui, Samy, euh, chaque année, l'ensemble des garnisons du pays font leur ouverture de saison sportive et DIFA n'est pas resté à l'écart. C'est une activité qui a pour but de promouvoir euh, la pratique du sport dans l'armée et par la même occasion renforcer la capacité opérationnelle des différents corps et la cohésion des forces de défense et de sécurité. Le militaire a besoin d'être fort, avoir un corps sain et un esprit sain pour accomplir ses missions et le sport est l'exercice qui permet au militaire d'atteindre ses objectifs dans le délai est très responsable. Nous partons à Dosso pour jouer de la pétanque. Oui, la boule se, se euh, joue quand même euh, dans la capitale euh, des Koi, Jarma Koi. Un peu partout dans les différents coins, hein, vous trouverez des pratiquants de la pétanque, bien que jusqu'à présent, beaucoup reste à faire compte euh, tenu euh, du manque de moyens. Suivant les explications de Ilias Sugiro, secrétaire général du club de pétanque de Dosso au micro de Nana Dizassan. Nous achetons nos boules avec nos maigres. puis que nous étions là, donc nous faisons des cotisations pour acheter des boules. C'est des paires de trois boules qu'on vend souvent 40 000, 50 000 jusqu'à au-delà de 100 000 quoi. Il n'y a aucune porte qu'on pouvait aller frapper pour chercher un appui pour participer à des activités de pétanque que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. On n'a pas en tout cas d'appui financier. Et chaque activité, s'il n'y a pas les moyens, ce n'est pas facile. Même si les gens sont engagés, si, les moyens manquent, ce n'est pas facile d'aller loin. Oui, c'était là le secteur général du club de pétanque de Dosso, Ilya Sugero, au micro de Adiza Hassan. Un des pratiquants de cette discipline se dit satisfait d'ailleurs de ce sport. On l'écoute.

Chers auditeurs, après le sport, allons découvrir notre star du jour dans la rubrique Portrait. Oui, Habiba, dans la rubrique Portrait, nous irons à la rencontre d'une vendeuse de café au lait, communément appelée Chahi, dans la ville de Birningaoui. C'est un métier exercé habituellement par les hommes, mais cela ne la gêne pas du tout car elle s'y trouve son compte. Voici son portrait avec Oumu Oumuru. ir goguru i dunda minti waranza biba haruna a wani wundura bani zumbu kurara birni goyo ka gote inga kati shayi nere goy mono kan wai burai sante gumo non da mgc meyoga goy mono kan a tubu a wani bero kan teka siga halai ga sintin ga nere din ai bero no sintin go gorga nera an ga no gaice kai ne kai na ga su bai gaice bi ai mute ya ai mute ya kale koi go dondon ga wana kale ir koi kaga te inga wani a tegisi ai mo ye anan gora ai go shayi nera amma so alhamdulillah shayi kai a akul goga te ara inga ner mo iddir kiliyan ay irga haru irga farha irga haikulu ay gonda ay sinda han fon inga bono gai tunan di kamba da se ay hinne de no kitu way barkan go shayi nera no de da ba miga ga bai kulu be gendi bisa ko no kalima kai ha kiliyan ya afon hal nya mai igufun imakai imane inga ma dai ay shayi mano ay mu karin gai se kafe imo ko ime yega ka asigen yumo igay gomni yi se ay mu digate ay mu ay mi ga tonton te shay ay gaga baso baso ay gaga lay 8h ne ko hal 18h ko kulay gizu mu gai kayan tefu fulan zam ga bai goy goy kai ka te tefu ko ne wallahi zari ragi hinka zambar hinka yanwi ay hinka du zambar hinza mi. ga agi hinga du daga beni kwai na abon beni goga cebe kan sin asinda wo gisi alboraisi i hanna kati bormadu wo ni muradu feri wallahi to ke kino asinda ya de alborgoi manti alborgoi kulu ke ki fallan ka daino alhamdulillah ke ki irgo ga te mu goga te ai du na fayan bobo gumo ai bun bo so kyara ai du na fayan an mi zai ga mu ayi goga du na fa goi kul no. wallahi goi da su ban yamma ne wani no wani no wani manti kini ga te yakini kelwoi borai zai ga afo kul musu kai ga bons sambuga bonger ya da yaga yada ka ka diga wundi ne fatta ne wo asin da kul infani ani ga bar mu kai kin sokyate da dala noni du dala hin kanon A akun niga duri ba daino niga du a amfani zai tare da gite hawi za bar go ga soke wani sigan daino sanni ya ma wo bar ga hanga tabu daino yau nin da barai go char wo ka dai suru daino dai du ya yakin kine indi ai gudu ai ga kala wai barai zai lakal candi gaka aiga irgi bai ga fakare irgi bai ga fakare irgi bai ga fakare kalingay mu lakalay mu koy gihe gaka ni di wala isigen mo hanka ingay mote kulu infani no bara mu ga koy digin ni ga a akani goyo kan biba gotera boray jan hanki salnga bon amma biba haruna a goyo goyote farhaira ihanna kati bormadu wo kan ni muradu feri kanganan borma si kai borfo bon ga kan basalle gogante amadu wo kan na zankai muradu feri Merci beaucoup Omo pour ce beau portrait. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes à l'écoute du Niger sur Kalango. Il est 11h passé de 45 minutes. Let's go pour notre dernière balade musicale de ce matin. Habiba, tu nous proposes quoi Samira, je vous propose les titres Zamani de Maliaro. Et c'est avec et c'est avec cette chanson que nous allons boucler notre playlist du jour. chers auditeurs, euh, c'était là le titre Zamani de Maliaro. Voyons à présent ce que les femmes du studio Kalangu nous ont préparé comme loti aujourd'hui. La consultation médicale de nourrissons est importante car elle permet de diagnostiquer de quoi souffrent les enfants et les traiter avant toute complication. Écoutons cette discussion sur la question avec les femmes du studio Kalangu. Lottie. Lottie. <laughs> Lottie. Lottie. Lottie. Lottie. Lottie. <laughs> be dangai dangai izo ni ga bani mu nanuno to kai amin ga hamo lele kai na fu mata kankani safi ifo no wo ni izo no hin ya ci ne wallahi za ta raina gomara hmm. rukaya wallahi ni didayya ai su bai hankan mara sai sai goga hin sintina ga mil ba a gaba mu nanuno amma ni ji a wangi ba fafadi yadin mono a si girbi hunkuna te ba girbi hinza girbi hinza a ba safiya kwen ni mon konda lokta gaido tali kulno saga don ai mara ai ga hamura guna ga hamo shi koron bo zankatarai yanyai daino gaga a nin wo lokta no kan ni bai kan haikul saga ha wani mil ba zanko da gamo koram da ni bai kasin da bani haye dumi karan ga teno gana zanka bobo go ga dibo ne wallahi zama aga skonde im di lokaci ba. hey roki kyawen kuko kan te gogin ban wa bara fa watu kulu ni wo karde hankam man himano ni gici aine ni sitali kunno sai ga. to wane wa amman ba to ba mu cewa kuku te nim dubai kan wallahi ku ciyawo gugu tabi ha daman ta di ifo guda yi he zagayya ya dinga daman ta ningu mewa fere ni a ah, mama aine no go dogo kul ya gagayin da kalamun marai wala ha'a ah, nimo nig bai kan at kriye ya sisala <laughs> ah nig bai wadinga ya dinga da haifo duwa kulni talino hey ruki ni sintin ga hamburan difa to da goga he ga hamo sikoran ifo no gaga hey ko ciwo dangai dangai si he nimo ifo he ni rano ni gaise ya cine to wallahi ai mistagin si safiya ai sibe an kan goni izo ga amma a gihinga te kan wallahi dori fono kan gihinga lala diman di hankan no sukfa ima fa ya dinga lokaci to kai yin kwanda am di loktorai irla kalma dokan si to mata da gitis <laughs> roki fai fa ba mata no ai su. gune wani mun tu lokaci no kan him gihi wasi wasi ko ci a san buga amfa ai dum loktar kwa ga bisa. Eh, madam madame kangir gune konkonse banda niko ciyawo jin kubo doro no gaga amara jota madam doro sintinano ne wo irgin gasa jau sonda sonda dai irga hakoi ran izo dirko ba eh irkoi <laughs> ai izo sinda ba nai magogoran da fu <laughs> dangai ne ma wani man ta haikul no ik sai son ni ma loktora ne haikul manduwa man ta haifo no kan lala gumo ya dinga igi duga safar ni lakal kanandi wallahi ruke isa buni se gumo da manci ne don matano gite ai bai kan don da ta girbiyan haya ga lala ga bisa ba mutukan agoso wani amantonim ne sai ni sabo laifu ikim ga hagwai duk zankai kan su gisalan atkiriyai zambora singin mo fegi mo sok faam nan kan gudorin giga yadin ga zadir di hay foi ga kan ga irla lakalai man kani ighim go wasu wasu kwa gado kwarado mu dugu dori kulkan no ma bonza nan ruki ai ga lakalo te koi ne ma ai ga gorga sinai lakkalai candi ga gati ingai wana izai sagayen wodo kai ne wa ruki ai go koi ga babo ke ga kiyasi hankan gogate Voilà, c'était là le loti du jour. Passons à présent à la rubrique culture linguistique. Aujourd'hui, nous allons voir les mots crise en français en tamashek avec Alamine Wachar. Bonjour Alamine. Bonjour, euh, j'espère que vous êtes tous à l'écoute, à nos auditeurs et auditrices à l'intérieur du pays. Suite aux événements du 26 juillet 2023, le Niger fait face à de multiples crises. C'est de ces faits que les mots du jour est crise. Une crise est une situation extrêmement difficile ou dangereuse. Prenons un exemple au Niger, les banques traversent une situation de crise économique. Elles doivent établir des règles strictes pour survivre à la crise économique. Une crise est un phénomène qui se produit dans de nombreux domaines. Elle nécessite une gestion particulière. J'espère que ces explications vous ont éclairé un peu. Maintenant, je m'en vais vous expliquer en langue tamashek. المعنى انكريز الحالة تدود تاسي تدفرا المسألة تدود خدارت شيلاتنا الخالة تانا هادا دو بازن غرسنا تمر وين سريز دا تلي تانا جانفي آه دا تلي تا جيدين تقاز نيجار الخالة تنتصوص دا السبابة ناوين اوين دا فلاس زلا دارتو دا زاني الشيول المسألة تنشين دينستا نو الخالة تنتصوص دين الخالة تنتصوص دو تموس أرد فصوصا ما ديرت سكسدا المثال في لقنا وقرنا نيجير بانكتنا هانت الخالة نيبان زرفان هولين دا غادي هورا دقينا تنمو دولاغا فلا تمدور تنسنت الخالة تا تموس الخالة تا قد دغا تمدى قوتنين أمرا تديرا Merci Alamine, c'était plutôt le mot crise, le mot d'aujourd'hui. Chers auditeurs, merci encore pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages, écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Assalamu alaikum Studio Kalangu ni ma Studio Kalangu ni ne babande wanda nake ina sauraron tashar wato akan rediyo ikira ina sauraron kalangu musamman kuma shirin da ya fi burge na gaskiya wannan labaru da kuma muhawara da muleka fada a gaskiya dukkanin shirye-shiryen ku suna matukar burge ni kuma da farko da ina gaida wato maki ne wanda dan jarida ne a gidan radio kalangu da kuma aminu mayana da kuma sauran masu sauraron studio kalangu a nan banda da kewaye ina gaida kowa da kowa. Assalamu alaikum, Radio Kalangu ina gaisuwa da fata alheri. Ni ne ɗan unyasu gurgu na bandi. Wannan labaru da kuke na karfe biyar muna bibiyar ku yadda ya kamata saboda muna tare da maki usaini ma'aikacin rediyon ikira ina gaisuwa da fata alheri wannan labaru da kuke na karfe biyar sosai muna sha'awar shi da na shirin matasan wannan da na labarin wannan kala biyar da kuke yi to wani an bai san ba wani mu hausa ne kuma muna sosai muna muna bibiyar ku yadda ya kamata ina gaida babandi ma gyaran rediyo mai gyaran keke bande ina gaida ibrahim mahauci ina gaida habu kwanciya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu ni ne san iran bande na sarkin bande sarkin maroka abinda nake so ni a ji na a gani na a saurare na da nake rediyon rediyo kalangu da nake sauraron su don saboda yadda ya ka'itar a nan kasar hal a su kasashe ko ina mu yanzu a nan an aka yi a rediyo ikira shi ne muke saurari. kuma iya burge ni irin yadda ya kamata saboda sun kula da aikin da suke kuma mu a nan garin da shi maki usaini da shi muhammadu mu muna gode musu mu ma'abantar sauraron su ne ina gode wa sarkin bande ina gode wa yallansa gaba ɗaya ina gode wa sarkin Makada. mai algaita mai busa. Ina wani jakwane mai wanki da guga daga nan bande kuma mawacin sauraron rediyo kalangu ne ta hanyar ikirawa kuma muna jin daɗin wannan shirye-shirye da ake yi musamman na muhawara ɗin nan muna jin daɗin shi sosai sosai. Ina son gaida mutum zuwa uku, ina gaida ɗan baba mai wanki a bande, ina gaida ila galadima a bande, ina gaida abokina Naziru Mutan Gwamba. C'est ici que prend fin l'émission d'aujourd'hui du Niger sur de ce vendredi. C'était un immense plaisir de passer ces une heure avec vous, chers auditeurs. On se dit à la semaine prochaine. Vous étiez en compagnie de Samira Wafi et de Habiba Ahmed pour la présentation. En attendant le programme du week-end, restez à l'écoute du programme de 17h à 19h en streaming ou sur le réseau des radios partenaires. Bon après-midi à tous.